1965 président Senghor di catholique ñëw fii joxe hommage de la nation ci réewum jullit ci guddi yenent bi c' est paradoxal mais cérémonie officielle la mën a parce que c'est bu ci même les ministres qui ngay gis gouvernement bu ñëw ci cérémonie religieuse bi ci guddi gi ñoom lii mooy mais ñu éviter aussi Euh, politiser ces ces événements parce que quand je dis politiser mooy ñoom dañuy ñëw ci kanamu sëriñ bi soo xoolee sëriñ bi yëpp ñu ngi jaabante te su ñëwee dañuy wax ñëpp sëriñ bi ñun de jàmm la ñu ñaan moom la ñu dox mais pourquoi langage boobu ñuy tenir fii suñu génnee ci biti ci espace public bi muy ci assemblée muy ci seen institution yi faneen ak faneen duñ donc loolu la ñuy wax ni tey jii nañu fàtte seen bopp jiital Sénégal Sénégal tey li ñu soxla mooy jàmm d'abord li ñu soxla mooy insécurité bi li ñu soxla mooy xëy na la des jeunes parce que il est prêt à tout donc oui, il ay fléau vraiment war ci taxaw a toujours été une boussole. c'est la réalité qu'on voit ça à c'est un double langage je ne parlerai pas de machiavélisme pour ne pas faire euh, euh, un jugement de valeur mais c'est tout comme parce que le langage qu'ils tiennent devant ça, vous vous voyez euh, l'Assemblée nationale qui vient voir la Khalif. tous les groupes parlementaires viennent avec le président et à l'unisson mais malheureusement, ce qui se passe, le langage qu'ils tiennent hors de ces sphères religieuses est différent. Est différent du monde du langage qu'ils tiennent devant ces chefs religieux. Donc c'est langage. Donc c'est pourquoi je vous dis, ces acteurs politiques pouvoir comme opposition, la société et la presse à une introspection, à revoir vraiment leur copie, à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation, comme le disait Mamadou, pour que le bateau ne